sur laquelle nous travaillons, chacun peut travailler à se renforcer. Mais on doit arriver à une unité fusionnelle qui nous permette de relever les défis de Caprine. Parce que la politique, c'est un rapport de force. Et il faut que nous fassions un rapport de force en faveur de Caprine. C'est pourquoi, monsieur, je vais porter la revendication des jeunes. Mais je connais aussi la solution. C'est le stade de Caprine. Cheikh Badiane en a bien parlé mais comme que ministre bi nëbbu ma dara nëbbu ma dara xam naa fi affaire bi toll su doon mébétam rek tey fii am na gason am nañ stade bu bees tax mais réew mi dafa am te tegu ci yoon boo defee appel d'offre am ku ko gagné kenn bu ci nekkee ne d'accord ci day dem cour suprême te bu demee cour suprême foofu la mbaax na doone benn da ngay xaar xaar na waxtu yooyu yëpp ba cour suprême atte ne gagné woon ki warut a gagné nañ ko defaat def appel international stade du Kaffrine bi dina nekk dootul nekk appel d'offre national comme mu la joor mais appel d'offre international pour que ma bëgg na rek monsieur le ministre ñu gaawal mbir yi ba parce que tamit stade du Kaffrine bi itam ma gàccee la parce que maa ngi ci fédération bi maa ngi ci football bi Mayacine daf ñu waxoon il faut ñu def jonction ñu xeex pour que au Nous devons nous gazon après affaire bi nous devons def gazon au stade du Kafrin, nous devons gazon au stade du Kungol. au moins on parle de ça demain on pourra avoir d'autres stades qui pourront développer les choses je voudrais terminer par là par remercier et rendre grâce à Dieu mais aussi ma ma responsable nous avons xam ni mais vous superviseurs commissaires parce que man dama am organisation quand nous tey amna naa mais Jambar, ce sont mes enfants jàmbaar itam ci C'est kër la ñu donc ñaari équipe yëpp tey sama équipe et jàpp le meilleur a gagné aujourd'hui Je remercier l'ODECA. de Kaffrine Me terminer loolu term monsieur le ministre remercier le gouverneur de Cafrine. Je peux témoigner de ton engagement aux côtés du chef de l'État, le président Makissal. Je sais que vous n'avez pas peur de relever des défis et vous êtes en train de le faire brillamment en réunissant l'ensemble des responsables politiques de la région de Kafrine, ici à l'occasion de cette grande finale qui est une fête de la jeunesse, qui est une communion entre les responsables et la jeunesse de Kafrine. Vous êtes euh, un expert, vous l'avez dit tout à l'heure, un technicien de la politique. Vous n'avancez pas les yeux fermés, mais vous, avancez avec beaucoup d'intelligence. Pour ce qui concerne le stade régional de Kafrine, il a si bien dit, nous sommes dans un état de droit. Et ce, ce stade va démarrer, Inch'Allah, en 2020, parce que nous allons, dans les mois à venir, lancer l'appel d'offres. Et après cela, il ne restera que démarrer le stade de Kafrine. Maintenant, on va demander au gouverneur, que je félicite, de convoquer un CRD. Parce qu'il va falloir venir à Kafrine et discuter avec les responsables pour voir le meilleur schéma pour accompagner ou créer, en tout cas démarrer un nouveau stade. Et ça, c'est avec les responsables sportifs mais avec les responsables de collectivités territoriales qu'on va le faire. Nous n'allons pas, en tout cas, nous arrêter à Kafrine. Nous irons à Kungel, accompagner les initiatives du maire, parce que nous savons que le stade a connu une évolution. Il a commencé à faire des choses, grilles de protection et autres. Nous allons vous accompagner à avoir, en tout cas, le gazon synthétique pour accompagner les sportifs de Kungel. Et là, il nous reste l'autre département, Malem Odar. Je pense que c'est un département qui n'a pas d'infrastructures sportives. Dans la ligne infrastructure sportive, nous allons voir avec vous, Abdoulaye, le président du conseil départemental et les responsables, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner quelques communes à avoir effectivement un mur de clôture et prochainement, nous allons continuer l'investissement dans ces infrastructures sportives.